message, comme vous pouvez l'imaginer, c'est d'accompagner et de voter pour notre candidat, qui est la tête de liste départementale de Tuawan, qui est Amdou Kamara. Et également, euh, demander aux populations de Tuawan euh, de tout faire pour mieux connaître le programme de la coalition Action que je dirige. Parce que si la population aille vers l'information concernant le contenu de la coalition, je reste persuadé qu'elles ne feront rien d'autre que voter pour nous. c'est l'occasion également, en tout cas, de, de faire en sorte, comme j'ai eu à l'entendre à Tuawan, de faire en sorte que, quand même, que les élèves et les enseignants puissent être dans des conditions de travail, euh, avoir ce qu'il leur faut en termes d'enseignants, en termes de logistique, pour que les cours se passent normalement et convenablement. C'est important, surtout que je suis enseignant, je suis universitaire, donc pour moi, l'éducation est au cœur de tout c'est euh, d'ailleurs en cela où j'interpelle même, en tout cas, les populations pour faire en sorte que, au-delà même de Tuawan, que l'éducation devienne une priorité. elle ne peut être une priorité que lorsque les Sénégalaises et les Sénégalais, en tout cas, travaillent pour donner beaucoup plus de pouvoir, donner beaucoup plus, de, en tout cas, euh, de leadership, et euh, d'attention aux hommes de l'éducation ceux qui sont dans l'éducation en termes d'enseignants, mais également en termes de parents d'élèves, tout ce qui est autour de l'éducation, qui est d'ailleurs une de nos préoccupations dans le cadre de, la coalition Action, parce que je reste convaincu qu'on peut beaucoup faire dans le Sénégal en termes d'éducation. Euh, il reste beaucoup à faire, même s'il y a beaucoup qui a été, beaucoup, a été fait, mais il reste également beaucoup à faire, dans le sens que euh, aujourd'hui il y a beaucoup de déperditions au niveau scolaire, euh, surtout concernant les jeunes filles, même dans dans les grandes villes lié parfois à des manques de moyens, à des manques de moyens sur le plan logistique. Et vous verrez beaucoup d'enfants, en tout cas, qui ne vont pas à l'école parce qu'il leur manque les fournitures scolaires. Et c'est pourquoi d'ailleurs, à travers euh, nos activités sociales, nous ne cessons d'accompagner les populations dans ce sens. Et récemment même à on a eu à faire un comme ça. Donc j'interpelle en tout cas tous les citoyens d'œuvrer pour la justice sociale. Parce qu'il y a à comme partout ailleurs des gens qui ont les moyens qui sont en train d'aider, mais qui n'oublient pas l'éducation, qui est en tout cas pour nous au cœur de notre dispositif. Euh, au-delà de l'éducation également, comme vous pouvez l'imaginer, la santé a toujours été une priorité pour moi. Donc aujourd'hui, je dirais nous, pour, nous, pour notre coalition, euh, parce que euh, ce qui est fait un peu partout dans le monde, où l'accès à la santé est devenu très souvent aujourd'hui une gratuité, pour la plupart des maladies, en tout cas endémiques et même des maladies non endémiques, qui sont beaucoup plus métaboliques, tels que le cancer, le diabète, l'hypertension, les problèmes de cardiopathie, comme d'ailleurs le cas des, maladies euh, infectieuses, notamment le paludisme, le sida, HIV-sida, la tuberculose, entre autres, qu'on aille vers une assemblée où la priorité des priorités sera de faire en sorte que nos populations puissent avoir un accès gratuit à un système de soins de qualité en tout lieu, en tout espace, sur l'ensemble du territoire. Et c'est pourquoi d'ailleurs, euh, j'invite également les Sénégalais euh, à nous aider à aller à l'Assemblée nationale pour répondre à leurs préoccupations. Parce que parfois, même au niveau de l'État, il est difficile de gérer certaines questions, parce que la plupart de nos pays en voie de développement sont des pays qui demandent de l'aide à, l'étranger, qui sont là, qui, qui ont besoin d'accompagnement, d'aide genre, euh, vous voyez un peu au Sénégal, vous entendez beaucoup plus, très souvent, accompagnement de, du FMI, euh, du Fonds mondial, euh, les eurobonds, tout ça. C'est parce que nos pays n'ont pas assez de ressources aujourd'hui pour, gouverner avec nos, moyens. Mais des personnes comme moi, en tout cas, qui ont la possibilité de faire venir les, bailleurs de fonds, qui ont la possibilité de convaincre ces bailleurs de fonds pour investir dans les domaines telles que la santé et l'éducation, il est extrêmement important que les Sénégalais comprennent qu'une fois que nous, sommes, à l'Assemblée, on peut faire beaucoup. plus, surtout que euh, aujourd'hui les bailleurs de fonds ont besoin de, de, garanties, mais ont besoin de personnes, de, de, porteurs de voix, de leaders qui ont la crédibilité et qui ont le, pouvoir de pouvoir faire entrer les, les fonds. Parce que, étant euh, en tout cas quelqu'un qui officie dans la plupart des institutions internationales, qui ont pour nous l'Organisation mondiale de la santé, le PMI, euh, en tout cas qui a également travaillé avec le Fonds mondial, la Fondation Gates, entre autres, euh, il est plus facile pour nous de faire venir de l'argent, de faire venir les investisseurs qu'une autre personne. Parce que euh, ces institutions me connaissent, connaissent mes capacités, connaissent en tout cas mon rôle à travers ces institutions. Mais en tant que personne, il est difficile de leur dire venez travailler pour nous, venez investir chez nous. Mais si, une fois que nous soyons à l'Assemblée nationale, je pourrais leur dire que je parle au nom du peuple. J'ai mandat de député pour vous dire de venir nous aider. Et il sera beaucoup facile, beaucoup plus facile pour, dans ce cas pour eux de venir investir. Parce qu'ils ne cherchent qu'à investir, ils ne cherchent qu'à aider. Mais il faut une porte, il faut des personnes qui portent ça. Et il n'y a personne de plus, en tout cas, positionné que nous dans le cadre de la santé et de l'éducation pour les faire venir et investir dans des domaines pour que quand même les plateaux techniques soient renforcés. Euh, les programmes tels que, comme je viens de les annoncer tout à l'heure, euh, cancer, cardiopathie un, excellent programme. Et également, l'accès aux soins soit gratuit parce qu'ils vont financer, ils vont subventionner ces recherches, ces, ces, là euh, il est important que j'aille à l'Assemblée pour les garantir la stratégie pour leur garantir leur principe de fonctionnement parce qu'ils ne peuvent pas financer des personnes directement pour leur pays. Et il est difficile parfois même pour éviter les conflits d'intérêts de financer directement un État, directement. Il leur faut des institutions fortes, il faut des hommes forts qui ont le, pouvoir de pouvoir agir. Et pour cela, je pense que je pourrais jouer un excellent rôle pour qu'après, une fois à l'Assemblée nationale, qu'on puisse voter des lois, écrire des stratégies, faire venir ces institutions au nom de l'Assemblée pour qu'ils puissent financer la, la santé. Au-delà de ça également, vu pour la justice sociale, mais la justice sociale, l'équité pour moi est extrêmement importante. Dans un pays, tout le monde peut être riche, mais tout le monde peut avoir accès à la santé, tout le monde peut avoir accès à l'éducation, tout le monde peut avoir accès aux denrées de première nécessité pour pouvoir vivre. Et ça, je ne ménagerai qu'on effort également une fois à l'Assemblée, comme je à le faire à travers le pays, pour quand même qu'on puisse aider nos populations dans un ou dans l'autre, pour que ces différents points que je viens de, de puissent également euh, posé, euh, défendu euh, pour l'intérêt Avant euh, la version Wolof, certainement vous avez eu écho sur la présence d'industries extractives au niveau du département de Diawol. Une fois élu, est-ce que vous préconisez de voter une loi pour changer la RSE, tout ce qui est fonds de préparation, mais aussi la difficulté que vit la population diawoloise une cohabitation assez difficile euh, ici à Merci beaucoup. Euh, je pense que vous avez touché de également un, point extrêmement important euh, parce que quand même, au-delà de l'aspect économique, au-delà de la valeur ajoutée sur le plan de l'impact économique, qu'il faut saluer hein, pour moi des industries d'une manière générale, on va aller vers ça à tous les niveaux, à tous les lieux, dans tous les secteurs d'activité pour quand même qu'on puisse industrialiser, parce que moi je défends l'industrialisation à tous les niveaux, y compris au niveau alimentaire, entre autres. Euh, maintenant, effectivement, très souvent, euh, les industries sont tellement proches des populations que sur le plan même de l'environnement, il y a un impact réel, parce qu'il y a la population qui souffre de la pollution atmosphérique, mais également il y a la population qui souffre même euh, de tout ce qui est modification de l'écosystème. Parce que ces industries, lorsqu'elles sont euh, installées quelque part, l'écosystème est modifié. Euh, les lieux, en tout cas, il y a moins de, en tout cas, il y a une désertification, même si c'est localisé. Euh, il, y a, un déplacement, en tout cas, du cadre des animaux, entre autres. Donc, il y a un impact sur le plan sanitaire, il y a un, impact sur le plan environnemental, il y a un impact sur d'autres aspects. Et c'est pourquoi, une fois, à l'Assemblée, on fera en sorte, et ce n'est pas uniquement ici à Tuaon, vous le verrez à, à, à Mbao, vous le verrez à Rufisque, un peu partout, parfois même le nom de la, euh, euh, le nom de la, euh, de, la Cour sénégalaise. Donc nous travaillerons pour quand même que cela soit rédigé clairement, pour quand même que chacun puisse savoir là où l'impact va aller, mais surtout comment faire pour éviter, en tout cas impacter moins la santé de la population, impacter moins l'environnement du manière général. Vous êtes dans une ville religieuse. Hein? vous êtes dans une ville religieuse Vous ne pouvez pas venir à et ne pas vous prononcez vous parlez d'éducation, surtout religieuse, dans cette ville. Qu'est-ce que vous comptez proposer ou qu'est-ce que les populations doivent voir dans votre message ou entendre pour pouvoir vous porter à la salle Bon, je pense que ce que j'ai eu à énoncer déjà couvre tout le pays. Et, toi, on en fait partie. Parce qu'un député n'est pas un député d'une localité, c'est un député du peuple. Donc, ce que je vais défendre, ce que je viens d'énoncer, n'intéresse pas uniquement Tuaon, intéresse toute la région de Thiès, intéresse tout le Sénégal. Effectivement, mais par contre, vous avez raison. Il y a toujours des spécificités au niveau régional, au niveau départemental. c'est pourquoi quand je parle d'éducation, comprenez éducation moderne, compliquez l'éducation religieuse. Parce que dans mon programme, si vous allez à le lire ou si je vous conseille d'aller le lire, vous allez voir qu'il y a un aspect extrêmement important sur les Dara. Pour quand même que les Dara soient réellement modernisés. Parce qu'on parle de modernisation des Dara, mais ce n'est que théorique pour le moment, ce n'est que Il n'y a que des papiers qui sont là mais les enseignants des, des, DARA ne sont pas pris en charge, les écoles, des, les DARA ne sont pas réellement comme dans le cas des écoles. Moi, d'ailleurs, dans mon programme, je vais demander pour qu'il y ait des inspections d'académie qui soient liées aux euh, au, DARA. Donc, et qui dit DARA dit la religion. Donc, c'est pourquoi je disais l'éducation. Dans l'éducation, il y a les DARA, mais dans les DARA, c'est lié, c'est en rapport avec la religion. C'est pour que euh, l'enseignement religieux, en tout cas islamique, puisse être implémenté et déroulé pour toutes les générations. maintenant, c'est l'occasion également de prier pour nos, nos, religieux, qui sont en tout cas, notre, le, en tout cas le, socle sur lequel le Sénégal est assis. Pour moi, il est extrêmement important que les populations comprennent que sans, religieux, sans les religieux, rien ne se peut se faire. c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié et j'ai beaucoup aimé le fait de venir à Tuaon. Avec Amadou ce matin, nous avons les premières personnalités que nous avons rencontrées sont les responsables religieux. Euh, et ça, c'est pour dire comment, pour nous, la religion, elle est capitale. Et une fois à l'Assemblée également, comme j'ai eu à le dire lorsque je les rencontré, on va aller vers eux pour leur demander réellement quel est le message, quel est le projet qu'ils voudraient que nous portions, parce que les choses évoluent et les, réalités ne sont plus les mêmes. Les réalités d'hier ne sont pas les réalités d'aujourd'hui, mais en tout cas qu'on donne beaucoup plus de pouvoir, qu'on donne beaucoup plus de, en tout cas, de respect à ces hommes religieux. Est-ce qu'il faudra écrire des, textes de loi qui, qui, protègent ces, ces, ces, ces, religieux En tout cas, nous ne ménagerons aucun effort pour que ça ait lieu. Donc, encore une fois, je salue le de, euh, le khalif, je, salue tous les chefs religieux de Tuaon et je dis que, en tout cas, nous sommes les talibés et nous ne ferons jamais quelque chose qui va nuire à l'enseignement de la, de la religion islamique, y compris euh, même au niveau conflit dans, dans ce département-là. D'abord, nga ñëw Tiwaawan yan message ñaan ñu ma sama sama leader bi sama sama sama liste départementale Amadou ko waxuma ko ci parce que mais xam ci de bu yaru la bu jub la bu set la te bu bëgg waawon te surtout ku gëm kilifa ak ku gën diina la kooku nag boo ko ci ndaw par rapport fi dëkk bi toll ci wàllu politique ah bàyyi ko xel dafa am solo dafa jot ndax ah, buñ ko defula dañuy juum ci lu bari dañuy juum ndaxte boo xoolee tey dégg naa sax am na quelque ay kii par rapport ak njàng mi fii ci wàllu élèves yeeg enseignants yi yoo xam ne xew na fi ba tax jàng bi xaw a sooxe fan yi mm, loolu dina bokk ci nga xam ne maa ngi ñaan daal lépp lu nga xam ne mu nguur gi mën na ko ñun aussi bu ñu demee assemblée dina bokk suñu ci li ñuy xam ne lañ koy liggéey pour que ñu jox njàng bi gëddëm Euh, jàngalekat yi ñu jox leen seen gëdd gën leen a jàppale jàng bi lu mu soxla bu fekkee ay ay jàngalekat la bu fekkee lépp lu ñu soxla la ñu jox leen seen gëdd quel que soit foo nekk surtout fii Tivaouane bi nga xam ne euh, euh, këru diina la da jàng nag waxuma ko moom laay préciser avant ngeen ma koy laajat bu ma ne jàng rek mooy jàng tubaab mooy jàng arab mooy mooy daara ñoom ñëpp ñu jox leen seen cër ba nga xamee ne tey Sénégal dina dem ba ëllëg ñu ne jàng bi moo ëpp lépp man sama genre ku ma xool xam ne jàng moo may lépp donc may ñaan ñu gën a jox gëdd jàng en tout cas assemblée bu ñu fa demee bokk na suñu cër muy xexal jàng surtout que nag man jàngalekat laa université laa nekk jàng moom mooy lépp xam naa jàng mooy lépp moo tax dinaa jàpp beneen boo xam ne également dina tax ñu ñu liggéey ci mooy wàllu wér-gu-yaram ku ma xam-xam nga ma ci wér-gu-yaram nga ma xamee euh, professeur Daouda dia defe naa ku ko xamul it dégg nga turam ci li mu liggéey ci mbas bi ci wàllu sibiru parce que waxuma ko tubaab bi waaye sibiru tey bu fekkee ñu ngi dem ba koy faj Sénégal garab bi koy faj biñ ne mooy jël pour faj sibiru wala jigéen bi loro yi yi am lu am wanu lor euh, ñetti per yi naan pour aar leen garab yooyu surtout bi nga xamee ne mooy ACT yi man maa koo xamee ne ci Sénégal ak ci bitim réew ci Afrique man maa koy saytu defaruma ko nag mais maa koy saytu maa koy maa koy wax bii la ba Sénégal jël garab boobu jox ay doomu réewam loolu nag ku ko dem ba mën xam nga ne mën nga lu bari ci santé mën nga lu jënt lu bari man nag samay naataango dafa defe nañ ba tey ak yenn expert ba nga xam ne tey ku sibiru doo faj doo faj garab doo fay test bi ku am jàngoro yu bon yu mel ne sida également ak tuberculose doo fay yooyu loolu nag bu ñu ko mënee mën nañu permettre ñu mën a lijjanti lu bari pour que Sénégal ku feebar faju te doo fay dara wala foo mën a nekk quel que soit loo am ndax euh, falaa jëm ndax ne ndaxte euh, li tax ma wax loolu xam nga man damay liggéey ay borom xam-xam liggéey ay kër kër yu kër kuréel yu màgg caatu àdduna kuréel yooyu xam naa ne ñoom sama xam-xam doy na te li may défendre pour ñooñu yenn dëkk yi am am loolu ñu faju feebar Euh, feebar faju te doo fay dërëm wala ñu dimbali la ci mën naa ko indi Sénégal waaye man sama jëmmi ji rek su ma ko waxee du mën a nekk comme ni ko état mënul mais su ma duggee assemblée wax ne man dama fay nekkal askan wi te boobaa ñoom dañuy xam ne kii ndaw réew ndaw pencu réew mi la mooy su ma nee damay ñëw tudd sama ne député yi ñoo ma yónni dañoo bëgg yéen ñi nga xam ne maa leen liggéey te xam li ngeen di jox ci ci àdduna ci dimbal dimbal leen suñu réew ci loolu loolu loolu mooy seen condition te boobaa dañ ko def

parce que pour man jàpp naa ne ñëpp mënuñoo am xaalis ñëpp ñu mënuñoo am alal mënuñoo am lépp mais euh, ñëpp mën nañoo am lu ñu sutur la mooy nga feebar faju nga xiif nga nga xiif nga lekk nga bar nga naan am nga tuuti loo faje sa loolu mën na am ci réew yëpp mais dafa laaj ku nekk nga ñu dimbalante te loolu assemblée dina gën a dewalal ñi nga xam ne am nañu pour ñu mën a dimbalante léegi donc loolu daal moo tax man ak yeneen ak yeneen moo tax ma bëgg dugg assemblée nationale pour lijjanti loolu waxoon nañu ci comme Tivaouane lañ nekk fi ñuy euh, industrie xam ni ñu usines yi usines yi ñuy tabax ay ay ay ay ay ay ay produits ay ay mbir ay yeneen loolu euh, lu am la ci réew parce que ku bëgg def ko réew da ngay yokk usine yi waaye nag usine la usine war waruñoo indi jaax euh, jaax njàqare ak ay problème ci population bi c'est pourquoi ma naan man de lépp lu indi usine danaa fexe ñu ñu fexe mu gën a bari waaye nag bu mu lor doomu aadama yi ndax euh, usines yu bari warul nekk ci biir dëkk bi te waruñoo jege dëkk bi te bari na nag du Tivaouane rek bari na ci dëkk yoo xam ne tey xale yi asma bu bari na nit ñi seen poumon yi baaxatul euh, mbedd bi bëri na bëri na ngelaw bari na ay poussière bari na lu ne euh, garab yi mu ngay mu ngay mu ngay jeex mala yi fu ñu nekk ndax jël nañ seen place ndax li ñuy jël dafa bari moo tax bu ñu demee assemblée dinañ faxe ba voté loi yoo xam ne naam usine dina am solo mais dinañ fexe ba lor doomu aadama yi ba dinañ ko fexe ba mu nekk foo xam ne loolu dina am njëriñ waaye du lor te également mu ay taxes yu ñu teg ba xam ne ku dëkk nekk ci gox. ñooñu di usine bu weesoo li ñuy defar population bi dañ ci gis seen njëriñ. merci beaucoup waaw Amadou euh, deux mots rek pour euh, le candidat départemental. voilà en deux minutes. ban impression nga am ban yëg-yëg nga am di nga recevoir euh, la tête de liste nationale. professeur waaw sant yàlla rek di delluwaat di santaat population Tivaouane bi yëpp. ak di wax ni euh, le fait que ñu recevoir le professeur Daouda Ndiaye ci suñu département dafay nek honneur nek fierté parce que tay ji ni mom bu ñëwé mom may ñu lo xamanteni amana tay ji euh bari na teddal ci yu fi dugg te may ñu ko seen seen représentant mom wané na ni dayo bi mu jox Tivaouane ak cër gi mu ko jox ndax duggul rek ñëw def traversé romb dem comme ni ko ñeneen ñi defee mais dafa ñëw toog ak population bi recevoir leen waxtaan ak ñoom ba pare jug dem seeti ji leen dem fu mel ni ci xam na ni Tivaouane dëkk la boo xamante ni dëkk bu bu religieuse la mu démarré ay euh, journée ci loolu kooku daf lay wan ne jox nañu cër jox na cër tamit euh, dëkk bi moo tax tey jii vraiment euh, amuñu lu dul ak satisfaction boo xamante ni moom la ñuy ressentir tey jii ci ci ci ci ci teewaayam fii. rendez-vous le 17. incha allah rabi voilà pour la grande victoire incha allah.